taxaw nañ pour def ben manifestation pacifiquement mais amna ñu sanni sànni xeer benn vague je sais pas mënuñu distinguer parce que ñu ngi ci gannaaw alors lolu limay wax moy yag na ci yag na ci université bi quoi système la rek bo xamanteni bon amna ñu naan maire national mo nekk ci gannaaw concernant même amical amical yi nga xamanteni loxo politiciens ñu ngi ci biir ba tay étudiants ñu ngi reyante mémorandumu Balla Gaye la de passage ñu ngi koy ñaanal yàlla xarek aljanna bu baax a baax

étudiant laa seen biir mais acte bu may déplorer la boo xam ne mosuma ci d' je suis pas de ce camp vraiment mosuma d'accord accord ci loolu le pouvoir APR c' est un pouvoir de bandit C'est un pouvoir de gangster ñoom seen biir gis nga leen heure bu ñuy defee heure bu ñuy réunion seen bir ñoom dañuy reyante seen xale yi seen jeunes yi chaque fois bu amee bu ñuy bu ñuy réunion xeer xeer jóg chaise jóg deret tuuru ñoom da lañ xam c' est des violents mais ñun duñ leen topp ci loolu parce que ñun nous sommes des citoyens pacifiques nous démocratie démocratie mais nous on a très bien compris le jeu jeu bi là. Il y a des personnes qui sont dans ñoo qui ci fait. ñoo ko def la encore. non ça c'est les étudiants de APR xam nañ carrément mais nous, il faut que ça fonctionne bien nous tous avant d'être des des des étudiants ay citoyens lañu combat c'est un combat citoyen balaa ngay ne étudiant c'est parce que d'abord tu as été d'abord un citoyen d'abord balaa ngay étudiant donc te fait yi dafa leer mais comme ça, rek moi, ni ma ko waxee que nous manifestation bu cadre universel nous on va régler ça mais nous, carrément c'est les étudiants de Mathieu qui sont là Et nous, nous war carrément ni que ah, combat bi lii du combat politique. Les combats citoyens là, leur coordinateur en personne il était là le coordinateur xaw ma xaw parce que solo moo xam tuuram mais nous on va le régler après à notre manière dina xam dire carrément étudiant c'est un citoyen d'abord donc jaru saa ma ciy gudd neeri ñu kese mais nous entre étudiants on va régler parce que nous tous nous sommes des étudiants comme eux on va le régler Té dina xam carrément Guy Marius ce c'est pas un délinquant satchul n'est pas un violeur Vous comprenez comprendre donc on dañ ko régler après quoi dañ koy régler